11 et ses environs, chers auditeurs des programmes du studio Kalangu, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de la mi-journée, le Niger sur Kalangu. Ce matin, pour vous servir, je suis Samira Wafi et avec moi, Mariam Adé. Bonjour Mariam. Bonjour Samira. La technique est assurée par Amina Hassan et à l'édition, nous avons la grande dame Rahila Toussoumana. Alors, Samira, quel est le programme du jour D'abord le flash d'information, suivi de l'entretien du jour avec M. Zahradine Moussa, un photographe de Madawa, région de Tawa. Il y aura le loti et la page sport. En plus, chers auditeurs, dans cette émission, vous aurez aussi des conseils pratiques sur les conduites à tenir pour bien accomplir votre gène. Ça sera avec des prédicateurs et spécialistes en nutrition. Ce n'est pas tout. Des recettes et astuces en cuisine vous seront proposées pour votre bien-être, sans oublier la culture linguistique. Et comme nous sommes mercredi, nous parlerons environnement de la rubrique hebdomadaire. Dans la partie éco de région, nous irons dans la région de Tilaberi, département de Balayara, pour voir le fonctionnement des centres de réhabilitation et d'éducation nutritionnelle intensive appelée crémi de la localité. Chers auditeurs, évidemment, avant de nous dire au revoir, nous allons écouter les messages que vous nous avez envoyés. Tout de suite, euh, entamons le flash d'information avec euh, Nafissa Adamou Sirfou. Bonjour Nafissa. Bonjour Samira. Bonjour Mariam. Bonjour Nafissa. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Le gouvernement nigérien, à travers le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, a annoncé hier vouloir mettre de l'ordre dans le secteur des ONG et associations. Toutes celles qui ne respectent pas les normes de leur mission subiront des sanctions selon les autorités. La question sécuritaire qui prévaut dans le pays nécessite un recadrage de ces organisations pour qu'elles accompagnent les autorités actuelles à réussir leur mission en matière de sécurité, mais aussi du développement, a déclaré le secrétaire général du ministère de l'Intérieur. De nombreux cas de noyades ont été enregistrés sur le fleuve Niger à Gaïa. Pour cette raison, le chef de canton appelle la population à veiller sur les enfants qui s'aventurent aux abords du cours d'eau. Des dispositions concrètes seront prises dans les prochains jours pour renforcer la sécurité autour du fleuve, a annoncé le chef. Également, des séances de sensibilisation seront organisées aux communautés sur les dangers de la baignade. Enfin, ce 20 mars 2024 est la journée internationale de la francophonie une journée placée sous le thème Créer, innover, entreprendre en français. Les journées des langues aux Nations Unies ont été introduites en 2010 pour célébrer le multilinguisme et la diversité culturelle. C'est la fin de ce flash d'information. Merci bien, Nafisa. Passez une belle journée. À vous de même. Chers auditeurs, comme annoncé à l'entame de l'émission, l'invité du jour est M. Zaradine Moussa, photographe à Madawa. Dans cette première partie, il nous parle des différents services que propose son studio photo, un métier qu'il a a appris au Nigeria voisin. On l'écoute au micro d'Asuman Aboubakar. Muna yin fotuna kala-kala kamar abin da ya danganci photo enlargement muna kiran shi na calendric muna yin invitation ta aure da kuma dai dan hotunan da sun ka danganci abin ga karci da sauran duk abubuwa don muna yi insha Allah a nan ma da to yanzu ya kai kamar shekara nawa kana wannan aiki a nan ma da eh to nan madawa na ɗauki shekara ɗaya da ɗan wani abu tun bara war haka na zo don ma nan na yi sallah na kafa shago na a nan wajen ranfa assembly kuma a da inda aka fito ana fotuna sai an je wani wuri haka a wanku amma yanzu take yanke muke yi wanda yake muna ɗauka wanda muka wannan foton zai jira a hada sai a bashi abin shi je ba tare da bata lokaci ba kuma muna tsaya mu ingantar da hoto ya hito mai kyau yadda ake gane mutum kuma duk wanda muka aiki yana fara yana jin daɗi insha Allah. To wannan aiki ina ne ka koye shi? Eh wannan aikin a Nigeria na koye shi. Wanda na laƙumi akalla na kwashe shekara ashirin ina wannan aiki. domin ba zan iya manta ba tun lokacin da ina karami ina makaranta haka mahaifiyata lokacin ta je aikin haji ta so mini wata kyamara to tun ga wannan lokacin na fara aiki allah haɗan da wasu mutane da dama magajina da kuma wani malamina ya koya mini wannan aikin ya zo har yanzu ina yin sa to kamar yanzu cikin wannan tafiya aikin wacce kusa a wacce kusa a ke gare ka wadda ka iya kai Mm, to alhamdulillahi gaskiya yana da fasahohi gwargwado inda allah ya albarkace ni da su sosai inda a halin dai yanzu shi dai foto ba yadda ba mu iya sarrafa shi muna iya sarrafa foto ko ta wani kala muna ɗaukan mutum foto da tuwahi ne na gida mu je mu cire mai wayannan tufafin mu samu wasu kaya masu kyau mu koma sama wanda yake bai da hulla muna iya ɗauko foton ka baka da hulla mu sa ma hulla mu gyara kan mai kai kyau sosai muna iya ɗauko foto mai mai babba ko ka je ka ɗauko foto a cikin salularka ka zo ka bamu mu sa ga kwamfuta ɗinmu mu gyara foto mu gyaggyara mu tura maka duk wannan muna yi sannan shi foto alhamdulillah Allah duk yadda ake son a sarrafa foto muna iya sarrafa shi mu gyara shi kuma mu tura kuma yadda za a yi duk duniya a gwaje shi a gari yalle wannan foto ne muna yin shi gaskiya to ya ne zancen wurin kayan aiki to wurin kayan aiki gaskiya alhamdulillah da yake kun san bahaushe ya ce gwargwadon kurji gwargwadon ruwansa amma dai iya abinda allah bamu muna amfani da kaya gwargwado na zamani wanda zamani ya zo da su a da inda aka fito idan mun ka yi foto muna shakku na konewa ce kila ka yi foto ka ce gudun ka kai a ce foto ya kone kuma ka ɗau hoto baka sani ba shin wannan foton ya yi ko bai ba kana yin abu kamar cikin duhu amma yanzu kayan aikin da zamani ya zo mana da su za ka ɗauki foto tunnin za ka duba foto foto ya yi awa ya yi foto alhamdulillah kamar yanzu masu kallon mu kamar gwada muku idan kuka duba wannan ita muke ce ma kamara da karama ce muke amfani ta ba mu ganin abin da muka doka amma yanzu ga mu da kyamaran mu muna dokan mutum foto za mu kamo shi haka kun gani sai mu kamo ma mu gwada ma tun nan ka ga fotonka ya yi kyau lafiya lau sai ta bangaren haske muna amfani da wasu abu da ake kama ring light wurin ɗaukar foto kamar ko ha gani nan wannan shine ring light ɗinmu idan kana baki kila kalar ka baki ne idan muka jona wannan ring light za mu baka iya kalar da muka so ka fito in muna so mu ƙara ma kala ka hito mai kyau sai mu kan canza mu sa ma bulu ka kara kyau ko kai wannan muna ƙara ma mutum haske da kyau da shi wannan da kuka gani shi muka kira ma abin ga umbrella flash shi kuma abu ne wanda muke amfani da shi shi kai shi wurin ɗaukar foto kamar ko hagan dai gashi muna amfani da shi wajen ɗaukar foto domin wuta muke sa mushi idan muka ɗauki foto haka da wannan kyamar tamu shi wannan da kuke gani gaba ɗaya shi yake haska foto idan ya haska hoton mutum zai hito kiliya ba tare da inuwa ta hito mai ba ko wani abu ya fito sannan muna da printer abinda muke fidda a wanda muna ɗaukaka hoto nan take za mu sa shiga kwamfuta ta yi muna komai mu gyaggyara sai mu tura mu wannan firintar da kuke gani sai ta fidda hoto kuna kallo muna ɗauka za mu fidda hotuna insha kai ɗaya take yanke cikin minti biyu ko uku ka samu hotonka ka tafiyarka. to wane ne da wane ne ke aiki da kai eh to gaskiya alhamdulillah sai in ce kowane bangare Allah ya albarkace mu da masu wannan aiki saboda idan ka yi la'akari da na daidai alhamdulillah ko da kuka zo kun tarar da matasa sun zo fotuna akwai matasa akwai 'yan mata akwai 'yan samari kuma akwai 'yan siyasa kuma wannan ɗakin da kuke gani bayan foto ana zuwa misali za ka je kana son bidiyo kamar rekodin ka yi foto a ma bidiyo muna yin haka sannan kun tarar da 'yan siyasa sun zo suna yin foto kamar misali yanzu idan kuka yi la'akari da waɗannan fotunonin da muke irin me muka kiran shi muna nan muna haɗa su su girma sosai akwai 'yan siyasa mutum zai zo ofis in kana so ka sa hoto ga biro ɗinka kana iya ba mu hoto sai mu je mu haɗa mu tura mu ma mai kyau ka aza gaskiya har sarakuna muna amfani muna wa aiki domin hawa 'yan sarakunan don nan madawa gwargwado dai muna musu aiki kuma suna yaba mana. En tout cas, ils ont maîtrisé l'outil Photoshop et la nouvelle technologie pour développer leur métier à Madawa. Avant d'entamer la deuxième partie de notre entretien du jour, écoutons les prédicateurs avec un conseil pratique pour les jeunes. Et oui, le mois de Ramadan est reconnu être un mois où les fidèles dépensent dans l'alimentation. Certains garnissent leur table le soir avant la rupture. Pourtant, mhm. Suivez les explications avec Oustaza Mustafa Hamadou, membre du Conseil islamique du Niger et prédicateur au micro d'Erfika Taher. C'est un phénomène euh, qui est là, mais qui n'a rien à voir avec le rite de l'islam concernant les jeunes des mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé de les faire le plus simplement possible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit d'abord, tout jeûneur devrait faire attention avec son ventre. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même recommandé à un jeûneur de subdiviser son estomac en trois parties. Réserver une partie pour le manger, pour l'alimentation donc euh, solide, une deuxième partie pour l'eau ou tout ce qui est liquide, la troisième partie pour la respiration. Pour un pour les jeunes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de les faire le plus simplement possible les jeunes par quelques dates fraîches, euh, trois ou 5 ou 7 Et s'il ne trouve pas, il prend quelques gorgées d'eau. Vous pouvez ajouter à cela tout ce dont vous avez goût, mais avec mesure. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il a dit qu'il ne faut pas faire de gaspillage euh, juste pour montrer qu'on en a. Si vous en avez, il faut partager ça. C'est le mois de solidarité. En tout cas, pendant cette période, il est recommandé de consommer modestement au moment de la rupture des jeunes. Voilà, c'était là le conseil ramadan avec euh, Oustaza Mustafa Ahmadou au micro de Rafika Attaher. Passons à présent à la seconde partie de notre entretien avec Zahareddin Moussa, photographe. Il est là pour le peuple, comment se fait la collaboration avec la population. Il évoque ici les difficultés qu'il rencontre. On l'écoute et c'est toujours au micro d'Assouman Aboubakar. cikin wannan tsarin ta yana aikin naka kai kadai ne ke wannan aika duka gaba daya ko kana da wasu masu kama maka ina da masu kama mini kuma kusan ma in ce masu kama mini wannan aikin kashi biyu suke akwai waɗanda nake amfani da sunan madawa akwai waɗanda nake amfani da su a sokoto wanda yake idan aiki ne na taki yanke ina da yaren da yanzu hakanan madawa ina koya musu wangawa aiki saboda ni yadda nake duk lokacin da nake ga wuri ina kokari in jawo dan wurin nan in koya mai saboda akwai rai akwai mutuwa ko kuma akwai bani nan ko da bani nan nukan sanin cewa na bar wanda zai gado na ina da yare da dama wannan da inda suna zuwa suna ɗauka koyo da training ɗin aikin yadda nake yi ne kuma ina koya musu kuma alhamdulillah Allah ko ban nan suna yin aiki alhamdulillah kuma in duba in dimma kamar ni na yi shi aiki ya yi kyau ya ne ka samu fusa ta yin studio tun farko dai kafin in zo ina da na taba na iya aikin studio tun can sokoto ina da gidan foto irin wannan gwargwaro dai iya na zarafi to lokacin da na ga ya kamata su ma nan garin madawa gari ne wanda na karanta kayan ma in fara zama madawa na zuwa biyu zuwa ko uku ina zuwa daga sokoto ina zama wannan garin domin in karanci ta yanayin al'umma da kuma yanayin al'adun gari na je na fahimci yadda yanayin su yake lalle ya min wuri ne na zama akwai tarbiyya madawa akwai kuma kamar sun mutane da kishi da kuma sun harkar kasuwanci cikin wannan garin to wannan shi ya kara min karfin gwaiwa cewa bari in zo in buɗe studio kuma da baya na zo na samu mutanen gari na tattauna da matasa na tattauna da 'yan shiya aka hamma su kansu suka samu mini wannan wuri suka ce to lalle wanga abu na ci gaba ga wuri nan ka zauna kuma aka bani haya kamar ko gani nan su suka bani haya kuma babu damuwa babu tsangwama duk yadda ake wa dan gari wala ana mini kuma alhamdulillah kuma mun hada wuri kuma mutane sun karba na ga wannan sa'a da kai nan ta futuna manya wannan na president kana bi karkara kana sai da mm. to ina ne wannan fusa da yake shi dukkanin dan adam akwai abin da aka so ka zama kana da creating kamar kana iya kirkira abu da kanka wanda ba sai ka ga wani ya yi shi sannan ka yi amfani da shi ba akwai bukatar duk mai sana'a ko mai aiki ko mai wani abu ya yi wani da experience inda Allah kamar ilimin da Allah bashi shi ma ya kirkiro da wani abu wanda zai sa ko ba shi ba wani ya gani ya je ya yi gaskiya waɗannan hotunan da kuka gani na mai girma shugaban ƙasa tuni bayan da allah ya saya hau wannan wannan kujera to na fahimci abubuwa da dama mun fahimci irin soyayyarsa da al'umma yadda al'umma suke son shi sai na ceto dama mu muna la'akari da soyayya tuna ko can muna harka ta irin harkar daddangance hotunan 'yan siyasa sai mun kai tunanin to ai mu ma muna iya fitowa da hotuna nashi domin mu kai mu masoya ko kuma irin official kamar biro biro inda waɗanda ke bukata su ma sai su satun mun san cewa duka biro ana iya aza hoton mai girma shugaban kasa wannan shi ya kara muna karin gwiwa muka kara da irin soyayya da muka yi masa mu karan kanmu muka ba da tamu gudunmuwa ta bangaren mu muka buga masa stikoki a muna kiransa clay abin ga wanda zai ake samu mukullayya muka buga abu na mota kamar ko gani muna tare da sunan ma zan gwada muku su um nisso. su su mu muka bashe su kuma su wannan ba sayar da su muka ba kawai mun ba masoya da abokan arziki waɗanda suke da bukata domin namu gudunmuwa ga Nijar saboda idan aka ce Nijar ƙasa to ta kowa ce akwai bukatar kowa ya ba da tashi gudunmuwa wannan mu muka yi shi muka yi wani experience muka yi shi muka zo muka ba waɗanda aka bukata kuma wanda ke son a bashi da yawa kuma yana cewa to yana ya ba da kuɗi ne a bugu masa kuma kun ga kamar particular ake kiransa shi ma wannan muna raba musu shi suna samu kuma mukullayya nasu duk wannan cikin fasahar da muke yi na nan wannan shagon wani lokaci shi ka taya da yanayi ne gaskiya ba mu cewa komai kuma alhamdulillah mutane suna tahowa suna aiki gare mu kuma alhamdulillah iya abin da Allah ya kaddare mu samu muna samu gaskiya kuma muna godiya ga Allah ga irin samun da muka tunda muna ci muna sha kuma muna biya ma iyalanmu da yan uwanmu bukatoci ko muna taimaka ma wasu na ƙasa gare mu insha Allah duk a cikin wannan lalura an san kowane aiki yana tafiya da yan matsaloli haka bayan shi eh gaskiya wannan rayuwa ce ta duniya ke haka mm. wannan aiki naka wannan matsaloli da wani matsaloli ne kake samu eh to gaskiya kalubalolika kakan da yake komai yana da nasarori yana da kalubali kalubali da nake samu ba su da yawa illa kalubale na yanayi wani lokaci da aka shiga na rashin kuɗi ila za ka cimma mutum ba ma ta hoto yake ba bukata yake ya samu abin da zai ci to kaga shi magana hoto sai dai a yi haƙuri da yanayin da abu ya zo ila da in muna iya haɗa jaka biyar ko hudu ko shida ko he da haka to a yanzu iya mu kokarin mu samu dai ila ka samu abin da za ka yi yan lalurorin ka ci ko za ka ma mutum aikin sai zama ila ma kai kanka da gani ne ka san cewa kamar aikin ya kama shi ne dole sai ka tausaya masa muna rage kuɗi sosai bisa ga inda an ka to gaskiya ɗan ƙalubale kawai ne muke samu kuma ta bangaren kwanzama ba wanda ke kwanzama mu mai muna jin daɗin rayuwa muna zauna mai komai ba wanda zai takura muna illa kalubali ne kawai na ɓangaren rashin samun ciniki da yawa da kuma rashin kuɗi da ke addaban mutane wanda yake kuma wannan is normal kowa ya san duniya duka ana iya samun irin wa'annan matsalolin Voilà, chers auditeurs, c'était la rubrique entretien du jour réalisée par Asman abubakar. À présent, Mariam, c'est l'heure pour nous de suivre le conseil diététique. Samira, après la rupture du jeûne, les nutritionnistes recommandent des boissons car elles sont bénéfiques pour l'organisme, mais consommant avec modération, précise Abdelrazak Bello, nutritionniste, il au micro de Fatima Hiero. Lorsque je vais rompre, il faut que je respecte le principe suivant. Le principe, c'est d'aller de l'aliment le plus léger à l'aliment le plus lourd. Donc, ce qui fait qu'à la rupture, consommer des aliments, notamment comme la date, parce que tout simplement la date, c'est un aliment qui est léger. En plus de la date, renferme des éléments nutritifs qui sont importants pour le jeûneur, parce que la date est riche en vitamines, est riche en potassium, est riche en fibres alimentaires. Maintenant, après cette date, on peut consommer euh, des aliments euh, comme l'eau, les boissons de façon générale. Alors, comment consommer l'eau et les autres boissons Les boissons, il faudrait simplement avoir à l'esprit que la boisson qui est prioritaire, c'est l'eau. Et l'eau, elle doit être consommée euh, vraiment en évitant de cette habitude que nous avons de vouloir consommer de grandes quantités en très peu de temps. Donc, au moment de la rupture, et tout au long de la de l'après-rupture, il faut plutôt consommer de petites quantités plusieurs fois que de grandes quantités une seule fois. Également, au, moment de la rupture, on a la possibilité de consommer des, des boissons, des boissons sucrées. Et ces boissons sucrées, il faudrait également éviter d'être dans l'exagération. Donc, parce que tout simplement, les boissons sucrées peuvent avoir euh, d'autres conséquences. Et c'est maximum 2 à 3 verres de boissons plutôt que 2 à 3 litres. Quel aliment faudrait-il manger pour faciliter la digestion Il est important également pour le jeûneur au moment de la rupture d'avoir des, fruits et des légumes. Essentiellement parce que les fruits et légumes contiennent des éléments nutritifs qui sont bénéfiques pour le jeûneur. Le premier élément, c'est notamment les fibres alimentaires qui sont indispensables pour améliorer la digestion. Et on sait que pendant le mois de Ramadan, il y a beaucoup qui souffrent de troubles digestifs comme la constipation. Le fruit et légumes, c'est également important parce que les fruits et légumes contiennent des vitamines antioxydantes comme la vitamine A et la vitamine C. Et ces vitamines-là sont particulièrement importantes en cette période de jeûne, surtout période de jeûne en période de forte chaleur parce que euh, la vitamine A et la vitamine C ont des propriétés qui permettent de mieux supporter certains, euh, certains problèmes associés à la chaleur. Maintenant, euh, lorsqu'on a consommé son, sa date, on a consommé euh, de les boissons, on a consommé des fruits et légumes. On peut également consommer des viandes. Mais la consommation de la viande, elle ne doit pas se faire avec excès parce que l'autre habitude pas bonne que nous avons, c'est de consommer de grandes quantités, notamment de viande. Donc la viande, elle est importante parce qu'elle va apporter des protéines, que ce soit la viande, les poissons ou autres aliments similaires, sont des aliments qui sont à conseiller pour le jeûneur, mais il ne faudrait pas consommer des quantités importantes. Donc voilà un peu le décalage qu'il faut avoir au moment de la rupture. Manger de la nourriture directement est-il conseillé pour la rupture On peut consommer les aliments qui contiennent des céréales, notamment des aliments plus lourds, si c'est le repas de la journée, que ce soit le riz, que ce soit la pâte de mil, de maïs ou autre chose. Donc ces aliments peuvent être consommés pour permettre euh, d'avoir de l'énergie. Donc ceci me permet simplement de dire à travers les différents aliments que j'ai énoncés que le jeûneur euh, doit également être en situation d'équilibre et c'est pour ça que le jeûneur doit avoir des aliments qui lui apportent des vitamines et des sels minéraux, c'est les fruits et légumes que j'ai évoqués. Des aliments qui lui apportent des protéines, c'est le cas des viandes, poissons, œufs. Et des aliments qui lui apportent de l'énergie, c'est le cas des céréales et des tubercules. Quelles sont les précautions à prendre pendant la pré-rupture La première précaution, c'est d'éviter de vouloir faire un rattrapage parce que certains sont enclins à faire un rattrapage de la nourriture qu'on n'a pas pu manger dans la journée, ce qui fait qu'on mange de grandes quantités en très peu de temps, ce qui peut renforcer les troubles digestifs, ce qui peut renforcer les sensations de fatigue. La deuxième chose qu'il faudrait également éviter, comme l'ai dit, c'est de consommer des quantités excessives de boissons sucrées parce que cela peut avoir un effet sur le déroulement du jeûne dans la journée suivante. Quand je prends beaucoup de produits sucrés, donc je serai euh, j'aurais plus tendance à développer une hypoglycémie dans la journée. Et l'autre précaution, la dernière précaution à prendre ce que beaucoup de gens font, c'est de manger et de se mettre au lit. C'est absolument une chose à ne pas faire parce que tout simplement, lorsque on fait cette, on a, a cette habitude, donc cette habitude a pour conséquence de pouvoir renforcer la constipation. Donc, euh, lorsqu'on mange et qu'on se met au lit, donc on renforce la constipation. Donc, voilà un peu les principes généraux de l'alimentation au mois de la rupture. Il y a des différents aliments, mais le principe cardinal, c'est de se dire qu'il faut aller de l'aliment le plus léger à l'aliment le plus lourd. C'était là le conseil euh, du nutritionniste Abdulrazak Bello. On prend une pause et on se prend juste après. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Il est 11h passé de 24 minutes, chers auditeurs du Niger sur Kalangou. L'émission se poursuit cette fois-ci avec la rubrique hebdomadaire axée sur les questions environnementales. Et dans ce reportage, Asuman China évoque l'usage des sachets plastiques pendant ce mois de Ramadan. Ce mois de Ramadan est synonyme de forte consommation. En effet, les achats augmentent de manière considérable, accompagnés d'une utilisation abusive des sachets plastiques. La grande majorité des produits achetés sont emballés dans des sachets plastiques et après usage, ils sont jetés dans la nature. Sani Ayuba, le directeur exécutif de l'ONG Jeunes Volontaire pour l'Environnement, rappelle les conséquences néfastes qu'engendre cette attitude pour les cadres de vie. Il y a trop de marchands dans les rues et un peu partout aux abords des marchés. chaque fois qu'on achète quelque chose, c'est emballé dans plusieurs sachets plastiques ce qui n'est pas sans conséquence par rapport à la prolifération continue des déchets plastiques dans notre environnement et qui a sans doute des conséquences comme nous le savons, que ce soit en termes d'assainissement, en termes d'hygiène, mais surtout en termes aussi de, cadre de vie. Donc voilà pourquoi il est important que nous n'oublions pas les, gestes euh, écolos, euh, surtout en termes de, de, gestion des déchets plastiques ou de recyclage. Parce que comme on l'a dit, tout ce qu'on ne peut pas réutiliser, il faut refuser. Donc la règle des 3 R ou des 4 ou des 5 R, qu'il faut toujours euh, réduire euh, l'utilisation des déchets plastiques, réutiliser les sachets qu'on a et refuser tout ce qu'on ne peut pas réutiliser plusieurs fois. Cela contribue énormément, en tout cas, à la promotion d'un cadre de vie plus sain dépourvu de déchets plastiques. Nous le savons très bien la présence de ces déchets plastiques dans notre environnement en termes de pollution, que ce soit pour nous les humains, quand c'est brûlé, ça dégrade la qualité de l'air, ça augmente euh, certaines maladies euh, respiratoires et tout. Quand les animaux en consomment eux aussi, on sait très bien les conséquences par rapport euh, à la santé de ces animaux ou même à leur vie. Ça peut atteindre même la vie des animaux. Notons que les déchets plastiques sont utilisés pour faciliter l'allumage du feu de bois ou de charbon. Cette pratique comporte des risques, car la fumée qui se dégage du plastique est nuisible pour la santé, rappelle Sani Ayuba. C'est des pratiques qui ne sont pas sans conséquences aussi, surtout quand on ne sait pas exactement la nature du sachet plastique, euh, le type d'utilisation qui a été faite antérieurement et qu'on se permet de brûler ça. Ça, ça facilite quand même euh, la prise de feu par le bois ou le charbon, mais euh, c'est clair que ça va dégager être des choses qui peuvent être toxiques pour la santé de l'utilisateur Donc c'est pourquoi il est prudent aussi de savoir quel genre de sachet plastique nous allons utiliser pour faire du feu ou bien pour allumer le, bois, que ce soit du bois sec ou du bois un peu humide souvent. C'est la pratique généralement. Mais nous devons faire très attention et j'en appelle aux femmes quand même qui utilisent les, déchets plastiques pour allumer le feu de faire très attention. Cela peut provoquer en tout cas d'autres sources de pollution ou de contamination à des choses pour souvent euh, amenés à des maladies respiratoires ou à d'autres types parce que il faut les reconnaître, la fumée tue énormément de femmes en Afrique, bien qu'il existe peu de statistiques, mais de plus en plus au niveau des centres de santé, on arrive à trouver, à remonter pour avoir euh, des données qui nous permettent de dire que la fumée également tue surtout les femmes dans nos pays en Afrique au sud du Sahara. Pour les responsables de l'association des jeunes volontaires pour l'environnement, la période du Ramadan doit être écologique et non une occasion de contribuer à la détérioration de l'environnement. Selon lui, un changement de comportement s'impose il faut vraiment que nous retournions vers euh, nos pratiques traditionnelles qui consistaient à utiliser les paniers qui sont tissés euh, de manière traditionnelle, comme les nattes ou les autres types de paniers avec l'aéronier euh, les par exemple. Autre utilisation, on peut utiliser des sacs. On peut quand même toujours partir avec des sacs réutilisables au marché ou bien demander à ce que le marchand réduise quand même la quantité de plastique qu'on utilise pour emballer les produits que nous avons. Autre mesure, à mon avis, c'est aussi d'intensifier l'application de la loi visant l'interdiction, l'importation, la commercialisation des sachets plastiques. Il faut taxer les sachets plastiques pour que ça soit pas gratuit. Parce que le fait que les sachets est aujourd'hui gratuit, cela euh, favorise son utilisation par la majorité des gens. Imaginez, dans les pays européens et consoles, ce qui est sûr, les sachets plastiques ne sont pas euh, offerts comme ça aux clients. Donc si tu sais que tu dois acheter 50 francs, 25 francs ou 100 francs de sachets plastiques, vous allez voir, les gens vont commencer à partir avec leurs propres sachets réutilisables ou leurs propres sacs. Les déchets plastiques constituent une menace pour l'environnement car les sachets jetés dans la nature s'enfuient dans le sol et empêchent l'infiltration des eaux de pluie, une situation préjudiciable aux productivités agricoles. Selon les spécialistes, il faudra 400 ans à un sac en plastique pour se dégrader dans la nature, tandis qu'il faut compter entre 1 et 10 siècles pour une bouteille plastique. C'était la rubrique environnement réalisée par Assoumane China. Chers auditeurs, si vous venez de prendre l'émission en cours, ne vous en faites pas. Vous pouvez la réécouter en intégralité euh, sur notre site web www.studiocalango.org. Samira, c'est l'heure de faire un tour à région. Et oui, notre envoyé spécial à Dawaki, de retour de reportage, nous fait un compte-rendu du fonctionnement du CRINI, Centre de réhabilitation et d'éducation nutritionnelle intensive de Balayara, région de Tilabiri. La prise en charge des enfants atteints de malnutrition est gratuite selon les médecins. Découvrons le processus. Nous sommes au centre de réhabilitation et d'éducation nutritionnelle intensive. Nous trouvons sur place Zenob et Rekia, toutes deux viennent de villages loin de Balayara pour la prise en charge de leurs enfants souffrant de la malnutrition sévère.

dai ko kiya kai ken da nebo ga ha din tali ak ga mo go kwaranga ga hay kulu son binda alhamdulillah loktar ay go gir safar ay go di dama ay gir bihin zihin kuna wallahi go sabu himanta aliga fi sabilillahi go safal san da matka ga himanda safarai hannan igo tilse kigi ni gaza aliga igo go wa kar ka irse da zan ka makai musan bu kwar ni giri watu kuli ka kiri docteur go te ko wallahi docteur Abdul Aziz explique le processus de prise en charge des enfants qui sont admis au CRENI les petits de 6 à 59 mois qui présentent euh, des signes de complications associées à la malnutrition. C'est eux qui sont admis ici et que nous prenons en charge. Les enfants sont hospitalisés d'emblée. Nous avons des lits et il y a au moins trois phases selon la prise en charge. L'objectif premier, c'est de lever les complications que l'enfant présente parce que la malnutrition se guérit sur un long temps. La prise en charge, elle est complètement gratuite. Les médicaments, euh, les moustiquaires imprégnés, les couvertures, des pots, des gobelets, vraiment tout ce dont l'enfant a besoin pour guérir le plus tôt possible. Selon Dr Bourema Abdelaziz, une fois que les enfants atteignent un état nutritionnel que les agents de santé jugent satisfaisant, ils sortent du centre. À la sortie du centre, les mamans bénéficient de quelques rations pour les accompagner dans la convalescence. Avant même euh, le CRENI, le programme alimentaire mondial disponibilise euh, des céréales, tantôt du mil, du niébé et aussi d'autres types de céréales. En fonction de l'état de l'enfant et du niveau socio-économique, on accompagne la maman. Et aussi, une fois euh, l'enfant guéri, quand il sort, avec les partenaires là, il y a un frais forfaitaire qu'on donne pour euh, le retour des mères. Parfois, on calcule en fonction de la distance du village ou bien on décide d'un frais forfaitaire en fonction de ce que euh, les ONG nous disponibilisent. il n'y a pas de prix fixe. Pour l'admission, quel que soit l'endroit, si c'est l'aire de santé de Baleara, nous avons la possibilité d'envoyer l'ambulance qui part chercher l'enfant gratuitement pour l'amener ici. C'est un frais pour les accompagner pour le retour. Cependant, selon les précisions du médecin, le suivi des enfants ne s'arrête pas là. Les agents de santé continuent de surveiller leur croissance et leur état de santé jusqu'à un certain temps pour s'assurer de leur récupération complète. Merci Adama pour ce beau reportage. À présent, Samira place au sport avec notre chroniqueur du jour, Hassoumi Gourouza. Bonjour Gourouza. Bonjour Myriam. Bonjour euh, Sami. Bonjour. bien. Gourouza, les national, l'équipe de football du Niger a débuté hier un stage à Rabat avant les rencontres internationales de la journée FIFA. Oui, c'est un regroupement qui va permettre à l'équipe nigérienne euh, de faire face aux deux matchs amicaux en terre euh, chérifienne. Le stage euh, qui a démarré hier va renforcer la capacité technique et tactique de l'équipe pour pouvoir aborder les deux rencontres qui seront un atout pour le staff euh, technique nigérien. Notons que la première euh, rencontre aura lieu le 22 mars 2024 au stade El Mohamedia face aux éperviers du Togo. Le deuxième match de la journée FIFA va se dérouler le 26 mars 2024 au stade de Bereshid face aux Italons de Burkina Faso. Les poulains de Badou Zaki veulent mieux se préparer pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Si le Niger a décidé de rester en Afrique pour sa journée FIFA, d'autres nations ont préféré aller en Europe ou en Asie, n'est-ce pas, Gouza Oui, Samira, la Côte d'Ivoire, championne en titre de la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations 2023, va croiser l'équipe béninoise à Amiens, en France. Toujours à Amiens, il y aura le match Gabon-Congo, Sénégal-Bénin, Uruguay-Côte d'Ivoire, ce sera à Lens. Grouza, le centre technique de la FENIFOOT, abrite toujours la formation des entraîneurs à candidats à la licence B de la CAF. Mariam a débuté depuis le jeudi 15 février 2024 sous l'égide de la Confédération africaine de football CAF. Les entraîneurs candidats à cette licence B ont entrepris euh, le deuxième module technique après avoir suivi la partie euh, physique. Après le renforcement hein, de capacité, après cette euh, formation, euh, les entraîneurs auront la lourde charge d'accompagner les jeunes footballeurs nigériens pour une performance totale. Voilà pour le sport d'aujourd'hui. Merci beaucoup Guruza pour toutes ces informations sportives. Mariam, place au portrait du jour. Aujourd'hui, notre projecteur est braqué sur une restauratrice. Oui, euh, elle s'appelle Hassi Halido. Elle détient un restaurant dans la ville de Terra, région de Tilabiri. C'est sa principale activité génératrice de revenus. Ainsi, son parcours fera l'objet de notre rubrique à portrait d'aujourd'hui. Boukari Kanda est allé à sa rencontre. as halid gond gir weta kide dandi mayo kamborega beda mono kati kutize kutize wo modai amantikala tera na godu gore soci goyo kanno agte nguno kati ngwar tegneriam ngwaro teyango modai amana dondon kala no dinyame bero kwara za a gonda jir yegga wodin banda a yegi ka tera kambu nongu feri kan a gingwon ngwaro amma kalirim hanganase gudu gudu fame gitonton tonton a wona socawo sintinengo fondara jiri eggani kon ha ñame jiri egga ke sintin kusde ke bero aynon cirgo sate aynon hawrate aynon huwo goyo kutte ɗo hano kangir sintinda handi mo kon sikanu dal way cinnugu waran cinnugu aiwoi hauros konko follonne sintinon da kala to nan kan ek sak hin kina irguro tite irgu hamisite e kul kanti ngar izmo kamboran ir handa kulir gati ngar nda hasara innong be mat kirte kan hanse sak dunna hin mari kan du ala ngabu hanni kiro waran ku wingu be mari kan du ala mo yongono kigo kate han mat haddungu non na nyununda mo asmini ma ka yongono kan igo kat sonkun zamanola hal mat nan ma ka nyunun haddungo halzi koma din kulum hulum du kada haro hen lakina haroste kalpit fo bene ma kang di kurkur na kan as halid won sur kyao faraday fond bobion no firase halga kason adumo na fo bobo windo kalle go ba huni hawro lanende e koy makka ene karede en bore be ala nde ndena naru egdi borkinde goy e wo hon kundang nigero wo fo azulmata e mandina kulkan e, e koy ka walla sd boryon kan eg be gomni fok bis has halid mo borega be da kutise kutise wo aman bega monduma hau ngwana de kese odi nonan ade ke hansig bagumo koyne itase de ko timmantiyan ba kan alwat foyan sende sijan wallahi tabu wo sijan zama borkul kan gok sintini han sinnul kamunor wane den goyda halun kokkeno amma wat kul kannan ko ta wane na hamno ko ta fa ka do han ne ko bana se su ba gun ni mo non ko ta han ne ko ban biti ko se su ba gun amma ni kon ko gina wano garo nero man ko wallahi mi diala sande zamun shudu ko filio wo este culture se base tam kul kambora ten se talun dum suno han ko ni mo ko kal ai we bumbe hawro halbore mane gari se halbora ka ek be kan su be kula ga den zangu su da kan wedu ek gina din da sai ek be de ka hawa na sin nun fa kare nda nun su futu muhammad hamidu dai iga kabu haswana de ko timantera. a sof ngum ngare dai hasido kaba ngum ko dai nong fo hare dangamat kan ana fillinda wallahi hajiya kutizia borno kan wallahi hawro woke nermala asin forla agonu bey asunu bey wallahi ro kula fo amma zena bi la kadede man do horo da horo vene bum wa asma kanidi lokacin baye go retar e egbor foce imgi se sa horo ga leka hadde horo ben kulung dikan san hawr ke kusinon bokone tɩ fono buri i dosna sofi umaru borno kan ag hasiga da kiyongera noro kanno ag du hasiga wodina ag koyga ngona almiyalo hausinda awro hina woya de kinda goya irg albesel hanse irg kiro hanse kalir hina akoyto irg deke em tune koyre em kem goye em hinem tasu irm nere ali nere agni no zambar hin kage no zambar hinza gato kirg du poroza aga te zambar tachi zambar naro kancindi di wonno gorko noon zankisa ene almene dey cour priva borgun zanka dan ndi hiije tun huwol aya ndi kebe tunu ikul borg hin knoro dangila ashali do an keyon tonandi niger gwamnato ga hekan ganan amduga goynon feri tera won wai way se. keyon ode ko kangir ngare gwamnato ga amin no nan kan gugul amin no goy jini ai wa gir ko ne go kusan kai goyen di esin hina kan kontine na na ya dinga diddu ga aksine wallahi irmo ir hini zan kai ki goyendun gai mo infanir ga haswan soja goyowo kankiti ngware tegner yongo anan hunkuna asibor fo ngware dala bumbo no kag dura nageŋ murade feri très beau portrait du jour réalisé par Boukari Kanda. Avant de découvrir la rubrique rose, faisons une courte pause. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Voilà, avant d'arriver à cette rubrique rose tant attendue, découvrons d'abord le loti du jour Mariam. La discussion de ce matin des femmes du studio Kalango tourne autour du gavage. On écoute. Loti, <laughs> loti, loti, <laughs> Taxi, Man taxi.

e ba ni sama wani zalika mata no gote tal kulsino dai man gano ni go koi ai di ni go ga taxi ga fu dai nai go koi ai bisa air phone ya kai go kai ga taxi ceci amma son kan nika kan gir tayir bor hinka an ga te son gir mudu taxi mai mu fonda te char bandi to amma za kai di nan go ne di ne no ya nan da ir mata mata mu koi ir ga fa ga son da ir si di nan go mura to za kan ni ci ir mu koi hmm sonda da koi fuyan ai gai login foi kana tai wani zan se hey ni ga bai wadin dai no ga kani se gina dai nai koi gidan gidan nai se leda ni go gidi <sighs> he zalika <sighs> ai farga zalika ni wani ga wasi bumbono guni me <sighs> he masinai se ya zage ai hinino gogi salon fondo bon hmm. boho nan ke kursiyan ngo ma ga bisir mu kwai ne da ne da rawo no hanni go gufun su ai zali kai sin ne sai sanno za dai kan ai ne hangan do wo sintin ai sin ga hai kul han sai bonse ne da ne ai bina ga funsu dai dole no ai ha walla hay kunna singa han sai bon sai ha kalon wari ai nwa da farkai amma su kungu woni mu ta hay kunnu kadda vitamin zai kai gogo gon vita ifo za wat fonon gogo vitamin han dai fo gindan vitamin ni no kai ni bare ni min bon wino ne bai <laughs> dukuri wai buya ai ba han kan sai goga han boro ai ni si bayino ni man dai wacce ai ka gihi ma ha a lubutu lubutu ai ni se bai kan wai bora kana isi ai mo ga bai ci ne am su koi gbor kurge ta bura ga me ni mu wali fonon di hey so ni wai ma ga sai no ni ga ba ni min bon wi bo ir koi sai ga yayi ga masini ga hamo dan sandai ha ifo sandai ai siga tugun fa ai ne ni sai ai vitamini zai din dai duwai to si bor hin kasi banti tabon ha matala kopukama La dina welo he ngwaga he ainen se daidwe ai sidi ha gaiga gaiga isbe ma ai wallahi ya sun ga wasai sai bumbo nu ai gogi kini sai kan safarai din si bog da ni me ka furai sai kwatanya ta fura ai fere sai kwato kwatanya ta sani ai gun gida kan dige ma ni wo da hautun hun kuna ga diran dine ni go dai da biyo ai ya bin da ai su gun sai fa zalika ni di safarai wo kulu haddai tofu ai gidan bidon fura na mai harda ni gizin gizin gizin kara za fo da kyar gamara dai go ka ni mi karba bagan dai ni su bai ku kan safarai wa hayin wo gin kan din ga han banu sino hey irwe bore wa tukul sa ranar borgo don da saru no don zagayen bore he don da saru no don ay wacce budon yirno dono han zagayya wallahi wai bore a han bor dan barandi kai gina ai no silman kai na masan bu hinini bonga gunne dine de rawo bo matkan ni gogu fun sarda safarai wo kulkan ni goga han ni sibai ba kan safariyan nu ni ya dai ni mna sugu yuttu dai wankan ni goce shi ni ni gunda izo ga bokku ni jine ni ja sai ga kasu ni ga bai mo ga jasa subhanallah sun ware ga bone eh wane kulman bangina mano din kan ni ba nin bottu bottu go koy ga bo hay fo manda banda dai kan ni ba mu zingen dini ni gunda ga han akul ga yen ga koy ne ni bi gabu ni ga ma bon sari ni bi na ga so bai ga pati kai kai kai kai kai kai kai kai hai zalika hai gona yan kulkan ni ci kunna go gate ai ne ne se hai fo kai ne fo kul dai dira burum gabi kul saira. amma ni bai funo gaidi mamaci de ni wo mata no ne tege bai haye wo ga kan ni goga chei sai son de mantin mo ne koy galan ballan bagi te no mai mana bai ai wo kai iza na balle de no aina gai wo de ai fogi han zaman ni bai mo ya da bo man ga ham din fatti bu wai taki igi ho da mani jangai amma za dai kan ai ma lahanai wo kan gai wo hanyan wo kan dino ai ni nan wallahi nin bumbo din man hagwai ni binaga kaino kak son kai ni koy gidir gin wai chonan ni kurnyisi ai mun fa mai bugu dirga tete te waste waste degnerin ngana boni kai handai aigi menda menda kuza wo kan sonda sonda habora do wo kan ise fu vitamin wal bon futai ya mu ya mani mu toy se fundi sihini to wani man bisani se ummu ha nim ka bon wi ya mu ya mai din nohu kun difa ai man ne te ga hambiyar kan cin kanin simi wallahi bo sidi ai gu donda ai yuttu de dai ba mu te ga wa wagi hannu wagi ba funan kan ga mu china kwai ne ga hm, ya sonda ni a dai son ton dirde hautan dai ni chaira to ummu ir koi dai miniga ai wai sin sanni boba so bai koi da wankan cindi ai wai vira jono ya to zali ka fondo goi ni ma da yamare wankan ni tai sai zali da mantini don son kinai bir kwarai saraira ai go koi fu ai bumbo go koi gai ma fatin ai ga safar fun bai wo fu ai mantimane siba C'était là le loti offert par les femmes du studio Kalangu, découvrant à présent la rubrique rose. Et oui, chers auditeurs et auditrices, une de nos chroniqueuses vous apporte le secret de préparation d'un de nos parfums traditionnels préférés qu'on appelle Humra. On vous laisse apprécier. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Dans notre rubrique rose, on plonge dans l'univers des parfums faits maison, ce qu'on appelle les humra. Préparez-vous à être transporté par des senteurs qui vous feront voyager jusqu'à l'Est. Vous m'aurez dit en temps normal. Mais c'est plutôt honneur que nous allons nous rendre aujourd'hui. Pendant mon séjour à Agadez, Memouna El Hajrabe, une entrepreneur d'Agadez a bien accepté de m'accueillir. Elle est spécialisée dans la création de toutes sortes de senteurs fait maison. Allez, on tend l'oreille et on découvre ce qu'elle partage avec nous. sunana maimuna alhaji rabi ina zama na garin agadas masallacin sardauna gaskiya alhamdulillah ni dai gaskiya na kai shekara ashirin ina harkar turare shi humran nan yayi ake yin shi mi da mi ya kamata a hada a ciki humra wanga kake samu farce kake samu farce akwai dolar akwai basma akwai wancan hafif ake ce mishi to ni dai gaskiya duk kuma da nake ta dolar ce dolar kuma babban turare ne duk mace wadda dai take sa turare da an kiran mata dolar ta san babban turare ne to shi shi ne nake yin shi gaskiya kano nake samu shi kano nake samu shi yan cadikin nan da wajen maiduguri nan su suke kawo shi gyare nake siyan shi to in kika siye shi gyara za ki same shi sai ki samu akwai wani turare da ake ce ma rovdar to shi za ki samu in dai kina son turare dai mai daɗi rovdar za ki samu sai ki samu kamar litur guda shi wancan garin humra to ban san daidai yadda mutum yake son ta ba shine dai za ka samu kama in kaɗan za ka yi ka samu litur guda na rovdar ka samu kama kulli shi kullin ana da shi kamar ka biyu da rabi rabi na kana eksa kulli biyu in kuma kana da karamin hali kana eksa na ɗari biyar to sai in ka sami sai ka samu wanga a ba rai daɗi ka samu wani ana na ana ce mishi alhaji abdullahi akwai alhaji ibrahim akwai su dai kaloli kaloli wanda ake sani da za su tada shi eh duk sunayen turani akwai alhaji abdullahi akwai alhaji ibrahim akwai a rai daɗi duka ana sa su cikin humra in kana kan aika samu garin sandal sandal shi ma yana nan ana kullin shi ka dala ɗari sadifan dai da yanda ka iya zaka sa in na dala ɗari zaka sa in na jika zaka sawa kana iya kasa duk sai ka hada su wuri guda ka samu wani dan budanka ko wata kwalba babba duka ka gama su ka buga ka buga ka buga ka buga kuma ita humura ba a lokacin da kai ta ba a lokacin nan zaka shin dadin ta ba humura har wata guda take ka buga ta tana aje lokacin nan zaka fiddo ta kuma humura in kana in son samu ce in ka buga ta ka aje ta cikin roba ka nemi irin gwangwani wanda ake fidda turaruka wa'yan da ake kawowa daga masar to su ya kamata ka zuba ciki ka aje saboda ita da ka aje ta cikin abu roba kamar kazini take yi wari take yi yanzu akan ga cadiyan duk cadiyan kin da zaki gani ba ta aje humura cikin roba sai dai ta yi sai da ta cikin roba an ba ta aje ta cikin roba kuma haka turaren wuta ma ba aje cikin abu na roba sai da aje shi cikin abin kwalba ko abin gwangwani haka fatti cikin shi ake aje shi to ita kuma humar ana san in kika buga ta a lokacin nan ba lokacin nan zaki shafa ta ba mm. kuma ba a lokacin nan zaki da ta ba sai ki aje ta sai wani lokaci kamar in ana son ta da gauga ma ta samu ko sati biyu aje sai ki sati su ita ma kuma humar ana sa mata konsantire masu daɗi humar mm. ni wadda na iya dai a yanzu dai ta kai kashi uku ta kai akwai da ake samun ode kolan akwai da ake Voilà les filles, en espérant que vous avez tiré profit de toutes ces recettes que Maimouna El Hajrabe a bien voulu partager avec nous. Le fameux lait de Muni, ça vous dit quelque chose Eh bien, rejoignez-nous demain à la même heure pour la recette. Voilà, chers auditeurs, c'était là la rubrique rose à parfumer tout en espérant que vous avez aimé. Samira découvre en présent la recette à culinaire. Direction Filingue pour voir comment se fait la préparation de la boule au hora en langue Hausa et de son utilité en cette période de carême. Saman une habitante de Filingue, nous en dit plus au micro de notre correspondant Amadou. e wallahi a san hura a ga hura a ji hura hilingi duci buyun gana kuma hura ita kana da hatsinka kai ka suru ka wanki ka sassabe ka maida mashin yin nan ka zaka ka sa ka tankade tun da kana iske an nika masara kasa dole hantin nan na masara shi taso in ka tankade ka maida ka zurde ka kada ka iza wuta shi hu kai hankurin shi hu da in yadda hu ko ya kwana nawa bai baci kuma ko ka sha bai maka illa amma bai da hu ya da nan in ka sha wani tana iya tuyuwa ta buga shi wanda adda zahi kenan ba gumba ba ba dau dole ta taba ka amma in dawo ya ku wallahi ko ka sha shi wuya bai ma wani abu kuma ka bi nonon ka na shanu ka bi dokin baka kamshin ka ka ruhalin ka ka daka su in ka daka su ka doko nonon nan tunda duk wanda an kai nono sai ya kazani sai ka zuba kamshin ga cikin nono in ka tashi da wannan ka doko sai ka doko mutan ka dinka ka tarare shi ciki ka dama to kamin ka sha ma ka kushi tunda kamshin ga ta tarbonka kana yalla ka sha to a san dai hatsi ka san kurhoi dai jan jajayun hatsi yanzu na dai da iri shike ke daban-daban aka ta mai lanshi amma a san hura a san daka hura dai hacin hilinge kurhu jan haci sun hi daɗin hura kuma yanzu ga azumin ga hura tana da ma'ana dan abin ga ka gani ganin saranci a kwaikwayo ruwan zahi a ɗibga ma ciki a ɗauko wanga tiri a sa mu ciki in ka damu hura ka lahiyayya ka kaɗa ɗan ka. an kai kira ka kaɗa ɗan dabinonka ka ɗauki huran nan ka aza cikin ka sai shi kwashi sanyi duk zahin nan da ka gaji sanyi zai yi ma amma ka buɗe baki da ruwan lipton ka buɗe baki da ruwan galas sai ka ga wani ya ce ni da ni sha ruwa na yi haujijiya ruwan nan na babbaku babu garwayan ka na hori ka da yunwa ka da kishirwa ka sha babbakon ruwa alhali wani ma sai su kulle shi sai ka ji ya ce ciki ya murɗa babbakun ruwan nan na in ka buɗe baki horo horo yin nan duwar shi ko bai da nauyi su riga cikin cikin ka kuma ku zan tunani ku gani tunda kaga yanzu in muna magana gani aka me ka sani amma wanda duk tunani in ya sha abin da shi ka lura cikin jikin shi yanzu ba a hakan kawai ta gandi na aka kashi ma'anar hura tana da umfani cikin jiki amma yanzu babu mai iya sa rabin tiya shi ga turmi shi zo zo daka shi sha hankali kwanci shi wanke shi rairaye shi ɗebe tsagana babu sai dai akai ta mashin a kwara ruwa da tsaye a wanke a sassa Et eh oui, voilà, j'espère que vous allez essayer cette recette chez vous. Le Niger sur Kalangu se poursuit avec la culture linguistique. Le mot du jour est sapeur-pompier et ça sera un zarma avec Moussa Hassan. Bonjour Moussa. Bonjour Samira. Bonjour. Bonjour. Euh, comme vous l'avez dit, le mot du jour, c'est maintenant Aujourd'hui, nous allons parler de sapeur-pompier que je vais essayer de vous traduire en zarma, d'expliquer en zarma. Mhm. Idan gan fondo kokoro da suru karon de danga hanganir sai hunkuna china n'a dingo un bon wo kam un zo mhm. de su de a de sarci ga sapeur pompier kundano iga goy da a gabu mini a fallo hinnum ko kati goy mo kan igite ka bore igine da anneme kan yango giri windi hallasi ki ba ko wada balawu fo kan go cici ka inwa mm -hmm. goy mo no igite kan cefo yan bumbay iga furu farati beriyara kan ganan ngai ma borai dinga igine da o kai ci din kulu hallasi mhm. nga kande sapel pompier dir sambu borno kan sintinade o kiyan yi da sanan matki ma yi da dangi wiyan soje no mhm. igi ce cino wat kan dubar tun ima kosare gina amsi moru mhm. ga didu ga gayi nan fodi o kan tedin ima wi mhm. ya dino sapir pompier go igoyera iga kokari nan kulkan ina da mi zai go ngai bafuna te ima halasi batamadira ngati wat kulkan ne balawu fo tun matkuka a da harin wayan note hau bir no gogite wala mota sarau babban bata note wani yawan kulu igi ce imaka da wazifa ba zama kamar ti bora fa be ngom boy na doctor tare fu wazifa ki te bora sai hal ni to doctor kan bara ya dinga igini kane kan sapir pompier tare wo goyno kan kalban kan bina ga bakar ni ga ba ni yayi zo ni gonda imani be iksabu au euh, chers auditeurs euh, Et si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication, en anglais, en en en ou en fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Et oui, à présent, écoutons les messages vocaux que vous nous avez envoyés. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. sunana suleiman kuma ina studio kalango musamman ma da suke na garuruka garuruka jiha jiha yanzu kaga ni na nan gegime amma zan iya samun labarin abin da yake tahiya a yamai kaga kenan ina sauraron irin wannan bututuwa suke da saura da irin na ketare daga labarin wata ƙasa haka to ire irin su da suke yi duka ina saurara eh abin da yake katar da ni daga shirye-shiryen da suke gabatarwa gaskiya journal din nasu wanda suke yi wannan wanda kamar yanzu rahoto haka na difa kaga yanzu ni mazauni gegime ne amma yanzu abin da yake wakana cikin difa zan sani abin da ake yi a cikin zandar zan sani abin da ake a maraɗi zan sani to gaskiya wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake ƙayatar da ni sosai to a gaskiya minti goma sha biyar ya yi amma ni a wajena gaskiya da so samu ne da an ƙara saboda gaskiya batutuka ne masu amfani sosai ni saboda shi ne ma na fi sauraron radio studio karangu sosai saboda gaskiya wannan batutuka ne wanda za su wayar ma mutum da kai kenan ya kamata a ce an sa musu lokaci na musamman kamar a kai shi awa ɗaya haka ma da so samu ne gaskiya ko minti talatin saboda mutum gaskiya abu ne na wayar kai kenan ka gani akwai bukatan a zamana a cikakken bayani bisa shi to sashin medinal kuma shi ma dai wani batu ne gaskiya wanda suna yin shi kuma ya yi kuma ya dace a ce ana yin shi gaskiya saboda shi ma yana kayatar da mutane kuma mutane suna samun abubuwa daga cikin shi da yawa na wayar da kai kuma gaskiya shi ma yana burge ni ya yi wannan saboda duk yana daga cikin wayar da kai amma dai gaskiya kaman yarurrukan da suke yi ne yanzu in a ce in suna yi da yaren hausa ina ji ko kuma da zarmanci ina ji to ya kamata a ce su ma wa'anda ba su ji to ya kamata a ce su ma a sako irin yaren su yanzu kenan kamar irin misali irin yarurrukan da nake cewa yanzu kaga nan gari ne mu irin nan gunduma mu na gegime ma wannan da akwai kabilu kala kala saboda wajen kabila kamar kimanin shidda da ya kamata a ce sun kara irin su tubanci ko barbarci wanga ya kamata a ce sun saka su saboda sauran jama'a su ma su fahimci abubuwan da suke ciki le et Fingrad Ikarewa, c'est la fin du Niger sur d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie de Mariam Adé et de moi-même Samira Wafi. À la technique, c'était Amina Hassan et la grande dame Rahila Toussoumana, notre chef d'édition. À demain avec les duo Fanta et Seno. Bye bye.